le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozerine, Bouza, Tamaské, Mainasroa, Magaria, Maya Ndiaye, Dorbel Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré à la question de l'évaluation des enseignants qui défait la chronique depuis déjà plusieurs mois. Avec nous ce soir pour développer ce thème, Dr Malam Garba, représentant du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Avec nous également, docteur, bonjour. Bonjour. Avec nous également euh, Halidou, secrétaire général du SINASEB, euh, représentant euh, la synergie cause Niger-SINASEB. Euh, SG Moukaila Halidou, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Issoufou Arzika, secrétaire général du Ben Isnen, Isnen sur le syndicat national des enseignants du Niger et également coordonnateur de la FUSEN. La FUSEN, c'est la Fédération unitaire du syndicat de l'éducation. Issoufou Arzika, euh, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, les associations de la société civile active pour une éducation pour tous, ASOEPT, représentées par Iliassou al Ilyasou Iliassou bonsoir. Bonsoir. La question de l'évaluation des enseignants fait partie des points objets de profondes divergences entre les structures syndicales et le gouvernement. Si le gouvernement estime que l'évaluation permet d'assainir le système éducatif nigérien, les syndicats, eux, la, eux, la jugent inopportune. Docteur Malam Garba du ministère de l'Enseignement primaire, à votre connaissance, depuis toujours, des inspecteurs de l'enseignement font le tour des écoles du pays pour voir Comment travaillent les enseignants Pourquoi aujourd'hui évaluer les enseignants Et source de grincement de l'État a-t-il changé de méthode, docteur euh, Non, l'État n'a pas changé de démarche. Le travail qui est dévolu aux pédagogique pédagogiques et aux instructeurs est toujours en cours et il sera maintenu. Cependant, euh, l'opportunité de cette euh, évaluation relève d'abord d'un constat qui a été fait par rapport à la baisse du niveau des élèves plusieurs évaluations ont été menées, d'abord à l'interne, et qui montrent que nos élèves euh, ont des difficultés d'apprentissage. D'autres évaluations ont été faites à l'extérieur, notamment l'évaluation du PASEC 2014, où sur dix pays, notre pays a été classé dernier. les aspects sur lesquels portent ces évaluations en général, c'est l'acquisition du français et des mathématiques les connaissances qu'on a en matière en français. Et devant cette baisse de niveau drastique, connue de tout le monde, décriée depuis des années, il a été initié au niveau du ministère en charge de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale, une feuille de route. Cette feuille de route, elle a plusieurs aspects, dont euh, la rénovation ou la refondation de la formation initiale et continue des enseignants, leur équipement en matériel didactique et pédagogique, l'amélioration de la gouvernance au niveau du système, du niveau central jusqu'au niveau de concentré et même jusqu'au niveau école, et la poursuite de l'introduction des langues nationales qui ont fait leur preuve par rapport à l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements, et enfin l'évaluation du niveau des enseignants, qui n'exclut pas le travail initial parce que cette évaluation, elle doit se faire dans l'optique d'apporter une rémédiation à leur niveau. Et une évaluation a été faite sur un certain nombre d'écoles normales. On a vu que les élèves maîtres qui sortent après deux ans ont un niveau très faible du point de vue des connaissances, mais aussi du, point de vue du savoir enseigner, c'est-à-dire en pédagogie ou en didactique. Et donc, c'est pour remédier il y a eu d'autres tests. Hein. Je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu des, évaluations qui ont été faites dans le cadre du programme IFADEM, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Où on a vu, et ça, ça a aussi la chronique, ça fait l'objet de beaucoup d'échanges. Les niveaux étaient très bas dans les disciplines fondamentales, maths, français, relativement à ce qu'il doit être enseigné au collège. Parce que les tests, ce n'est pas autre chose que, eh, au, primaire. Ce n'est pas autre chose que ce que l'enfant doit savoir au CE et au CM. Alors, docteur Malam Garba du ministère de l'Enseignement primaire, dans la pratique, comment se fait cette évaluation Cette évaluation est séquencée en deux grandes phases. Une première phase qui concerne l'évaluation des connaissances intrinsèques, c'est-à-dire ce que les enseignants savent par rapport à l'enseignement qui est dispensé au primaire en mathématiques et en français. C'est une évaluation globale qui va se faire, qui va concerner l'ensemble des enseignants. Et une deuxième phase qui concerne justement le savoir enseigné, la pratique pédagogique en classe. Et celle-là, elle va être faite par les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement primaire. Alors, quelles sont les catégories d'enseignants qui sont concernés par cette question de l'évaluation Au cours de la toute première phase, ça va concerner les enseignants contractuels sans formation initiale, et les enseignants contractuels formés. Ça va se faire en deux phases, en deux jours. Pour la première phase, en deux étapes. Premier jour, ceux qui, sont formés ou non formés, et ceux qui ne sont pas formés, et deuxième jour, ceux qui sont formés. Maintenant, euh, lorsqu'on va finir avec les enseignants contractuels, on va euh, se pencher sur les cas des enseignants titulaires. Et cette phase, elle va venir après. C'est après cette deuxième étape que nous allons entamer justement cette évaluation en classe créée en main où on va suivre comment les enseignants dispensent le cours pour voir quelles sont les difficultés qu'ils éprouvent et quelles sont les remédiations qu'il faut apporter. Ce travail va être déjà fait au cours de la première phase et je vais tout de suite dire une chose qui, qui soit claire. L'objectif, c'est d'évaluer pour former, pour apporter des remédiations. Et pour cela, il faut le faire en fonction des besoins de chaque enseignant. Quand nous allons faire l'évaluation, nous allons informatiser les données et dans toutes les régions, au niveau de toutes les catégories, nous saurons quels sont les enseignants qui ont des difficultés en mathématiques dans tel ou tel aspect, ça peut être en géométrie, en algèbre, etc. Quels sont les enseignants qui ont des difficultés en, français, ça peut porter sur euh, l'expression écrite, ça peut être euh, sur des aspects tels que la grammaire, la conjugaison, et en fonction de ça, on va mettre en place un dispositif pour qu'on puisse les former suivant une démarche qui allie la formation présentielle. Donc il n'y aura pas de chasse aux sorcières comme euh, pensent euh, beaucoup, beaucoup d'autres Je crois que cela a été dit par les voix les plus autorisées. L'objectif n'est pas de chasser quelqu'un. Dans quel intérêt On n'a pas d'intérêt à chasser qui que ce soit. En fonction des niveaux, des situations, on va apporter médiation. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui est prévu. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas autre chose. Alors, euh, Moukela Halidou, de la synergie cause Niger Sinaseb, il est connu de tous que certains enseignants ont des difficultés à transmettre le savoir. Pourquoi vos structures refusent euh, cet exercice Faut-il, oui ou non, évaluer euh, les enseignants euh, Si déjà vous euh, dites que certains des enseignants ont des difficultés à transmettre le savoir, je me pose ou je vous retourne la question à savoir dans quelles conditions ces enseignants-là ont été recrutés. Puisque nous, en tant que structure syndicale, nous ne sommes pas chargés de recruter des enseignants. C'est lorsqu'ils sont recrutés qu'ils deviennent nos militants. Et je crois que ceux qui ont en charge le recrutement doivent quand même apporter des réponses par rapport à cette question-là. Maintenant, euh, sur la question de l'évaluation en tant que telle, euh, voyez-vous, euh, je relève plusieurs contradictions entre ce que les ministres en charge de l'éducation nous donnent comme information sur cette question d'évaluation et ce que le docteur Garba vient de donner comme explication également. vous savez la divergence que nous avons avec le ministère par rapport à cette question. Nous l'avons toujours dit nous reconnaissons effectivement que le système éducatif nigérien a des difficultés des sérieuses difficultés d'ailleurs. Ça, euh, nous le connaissons tous. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec la procédure du ministère par rapport à cette question d'évaluation. Le ministère a commencé à parler de cette question d'évaluation à travers une note circulaire qui était sortie. La note dit clairement évaluation obligatoire de tous les enseignants créés en main. On continue, on modifie, ça devient évaluation obligatoire pour tous les enseignants contractuels. Alors si on prend le mot obligatoire, ça ne peut être que cette question d'évaluation que nous reconnaissons, l'enseignant doit être évalué. Ça, c'est, clair. Et chaque année, en principe, on doit évaluer un enseignant pour déterminer la performance, n'est-ce pas, et voir, au fait, les insuffisances de l'enseignant sur le terrain. Ça, c'est unanime. Et ça, c'est le quotidien de l'enseignant. Nous ne refusons pas cela. L'enseignant est suivi par les conseils pédagogiques et les inspecteurs. Mais je suis en train de parler de l'évaluation telle qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de vouloir l'organiser. Lorsqu'on parle d'obligation, l'obligation c'est quoi C'est qu'on se réfère tout de suite à ce que disent les textes. Le statut général de la fonction publique a clairement défini les conditions dans lesquelles l'agent contractuel ou fonctionnaire doit être évalué. Mais aujourd'hui, je repose encore cette question. Est-ce que l'évaluation telle que le ministère de l'enseignement primaire veut l'organiser cadre avec le statut général de la fonction publique Certainement que non. Ça, c'est un. Deuxième chose, lorsqu'on parle d'évaluation, pour déterminer la compétence ou détecter les insuffisances des enseignants. Ils l'ont dit tout à l'heure. Deux matières, maths et français. français. Mais mieux c'est que au tout début, on ne parlait pas de français, on parlait de maths et de dictée. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers une épreuve de dictée et une épreuve de mathématiques, on peut déterminer l'enseignant qui est bon et l'enseignant qui est mauvais Est-ce que c'est seulement ces deux matières qu'on enseigne à l'école primaire Est-ce qu'à travers ces ces deux épreuves, on peut déterminer X est bon, Y est mauvais. Mais mieux, lorsqu'on dit que eh, l'évaluation n'a pas caractère euh, à, sanctionner, il a parlé de voies autorisées. Les voies autorisées l'ont dit. En pleine discussion, le ministre d'État Bazoum l'a dit. Comment est-ce qu'ils peuvent garder des enseignants qui vont se retrouver avec des notes minables Mais si on ne les garde pas, on va faire quoi avec On va les recycler. Non, mais qu'on ne les garde pas. Quand on doit les recycler, on les garde encore. Mais lorsqu'on dit que comment est-ce qu'on peut les garder, ce n'est pas une question de recyclage. On est en train de parler du français. Mais tout à l'heure, docteur, docteur, Malam il, vient il, ministère... J'arrive, il vient du ministère de l'enseignement primaire. Je suis parfaitement d'accord. Mais il vient de dire les voix autorisées lundi. Et je suis en train de répéter ce que, effectivement, ces voix autorisées nous ont rappelé et nous ont rapporté. Ce que nous disons, en tant que structure d'enseignants, en tant qu'organisation syndicale, nous n'avions jamais dit qu'il ne faut pas faire des évaluations, mais nous avons dit faites les évaluations telles que ça doit cadrer avec la réglementation en vigueur de notre pays. Est-ce SSG, à travers la position radicale des structures syndicales allergiques à cette euh, question de l'évaluation, n'est-ce pas que euh, cela a contribué à bloquer totalement l'école publique nigérienne aujourd'hui Non, je suis désolé, la question de l'évaluation ne bloque pas l'école publique. Mais ça fait partie des points de divergence entre le gouvernement et Par rapport à cette question d'évaluation avec le gouvernement, nous nous sommes même entendus, nous sommes même accordés de mettre en place un comité pour statuer et voir dans quelles conditions on peut aller pour détecter l'insuffisance dont souffre aujourd'hui le système éducatif nigérien. Donc pour nous aujourd'hui, il est de nature à aller. Et ce que nous voulons rappeler, c'est que ce n'est pas dans une épreuve de force qu'on peut amener un changement. Ce n'est pas dans un rapport de force qu'on peut vouloir aujourd'hui innover. Mais l'autorité de tutelle. Non, mais écoutez, il y a eu combien de propositions Il a parlé de combien d'évaluations tout à l'heure On évalue quoi nous sommes des enseignants, nous sommes sur le terrain. Lorsqu'on doit évaluer quelque chose, lorsqu'on doit faire une évaluation, on évalue à partir déjà d'un programme donné. Il faut d'abord soumettre ces enseignants-là à autre chose. Et par la suite, vous venez pour faire l'évaluation. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on veut détecter, n'est-ce pas, les enseignants qui sont bons, les enseignants qui sont moins bons et les enseignants qui ne sont pas bons, à travers deux épreuves, il y a contradiction dans ce que nous sommes en train de vouloir faire. Monsieur le SG Issoufou Arzika euh, du euh, représentant la FUSEN. La FUSEN, c'est la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation. Par rapport à cette euh, question de l'évaluation, quelle est la position du CNN et de la FUSEN Merci au studio Kalangu. Sur la question de l'évaluation, la position de la FISEN est, restée constante. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut évaluer. je ne crois pas qu'à un seul moment qu'on ait dit le contraire. Mais eh, nous avons dit aussi que évaluer, c'est défini, c'est déterminé, c'est paramétré, c'est balisé par euh, une loi qui est le statut de la fonction publique et à laquelle, jusqu'à jusqu'ici, il n'y a aucun document qui a eu le pouvoir et la prérogative d'en déroger. Par conséquent, nous resterons fidèles, en tout cas, à la légalité. Si eh, le ministère veut faire l'évaluation, en tout cas, les syndicats sont prêts à, euh, à l'accompagner eh, parce que nous sommes euh, pour un système éducatif de qualité qui soit à même contrairement à certains actes posés par nos autorités actuelles qui sont à même de relever notre image aujourd'hui d'enseignants qui est traîné dans la boue par certaines communications qu'on aurait pu éviter. Alors, je dis nous sommes pour l'évaluation, mais quelle évaluation Pas celle actuellement envisagée par le ministère de l'Éducation nationale. Je vais faire un petit détour par rapport à l'objectif euh, euh, de cette évaluation qui ne semble pas apparemment euh, le vrai objectif légal parce que l'évaluation était prise en charge par la loi, ça veut dire que son objectif doit être aussi légal, c'est-à-dire prévu par la loi pas autre chose. Cette évaluation-là, on nous a fait croire au début qu'elle n'était pas faite pour euh, dégraisser le personnel enseignant, mais en toute franchise, je confirme ce que le camarade Halidou avait dit. les ministres nous ont dit clairement qu'ils ne vont pas garder ceux qui seront défaillants. Ils ont été clairs. Bazoum l'a dit, Marthe l'a appuyé. ils vont faire comment Puisqu'il y, y, a une pénurie d'enseignants. Ils vont les chasser. Ils disent qu'ils ont un surplus d'enseignants. Ah, ils l'ont dit. Jusqu'à les séances de négociations d'avant-hier, ils nous ont fait croire que ce n'était pas pour chasser. Ceux qui seront euh, incapables, vraiment incapables, vont être versés à la formation professionnelle pour continuer les massacres. Et ceux qui peuvent être capables d'apprendre à apprendre, on va leur apprendre quelque chose. Mais les autres, ils ont dit qu'ils vont chasser tous ceux qui ne seront pas capables d'être euh, récupérés. est-ce que c'est un problème de chasser un enseignant qui n'a pas le niveau Je n'ai pas dit que c'est un problème. Je relève une contradiction. L'évaluation a permis que lorsqu'on détecte un agent, même s'il a le matricule, avec une insuffisance professionnelle notoire, une incapacité professionnelle notoire, on peut le remercier parce qu'il ne remplit plus sa part de contrat. Donc ce n'est pas un problème de chasser. Mais lorsqu'ils disent un objectif et qu'ils en disent un autre, nous sommes, nous sommes interpellés pour élever cette contradiction-là. Je voudrais parler de l'objectif. L'objectif, apparemment, ce n'est pas que de remédier à un problème. Mais apparemment, le personnel contractuel qui est payé à bas prix, semble être perçu par les autorités comme étant coûtant trop cher au budget de l'éducation. C'est ça la contradiction. Si tous ces anciens contractuels étaient titulaires, imaginez ce que ça aurait pu peser sur le budget. Donc tous ces sacrifices qu'ils donnent semblent être ignorés au point qu'on croit même qu'ils sont en train de blesser le budget du Niger. Nous, nous estimons qu'il faut assigner un objectif légal à cette évaluation. Mais quand on veut tout de suite aller aux enseignants, après le PASEC, mais le PASEC n'est pas une étude sur la capacité des enseignants, c'est une évaluation des acquis scolaires. C'est quoi le PASEC C'est le programme euh, de conférence des ministres de la francophonie, un programme d'évaluation des systèmes éducatifs des pays membres. Donc on a pris 10 pays et le Niger était dernier. C'est les acquis scolaires qui ont été évalués. Je suis d'accord. Lorsque les acquis scolaires vont mal, il y a plusieurs paramètres à revoir. Il y a le contenu de l'éducation, de, Est-ce qu'il n'y a pas un surdosage Est-ce qu'on ne bourre pas la tête des enfants Est-ce que les enseignants ne sont pas par parce qu'ils enseignent tous les jours Est-ce qu'on a le temps d'évaluer et de remédier Ça, c'est des choses à voir. Est-ce que maintenant, à l'intérieur, parce que les paramètres de la, de la qualité sont nombreux, est-ce que les infrastructures, les conditions d'enseignement, est-ce que les conditions de vie des enseignants sont vraiment favorables à une éducation de qualité Est-ce que la gouvernance est bonne Quelle étude en a été faite Est-ce que la gestion financière de l'éducation, est-ce qu'elle est bonne Tout ça là, quelle étude a été faite pour commencer à attaquer les enseignants Quelle étude a été faite autour des capacités professionnelles des enseignants pour croire que à partir des études, des évaluations d'un acquis scolaire, il faut indexer tout de suite l'enseignant Pourtant, un élève pour qu'il soit eh, bon ou pour qu'il soit mauvais. Il y a beaucoup de paramètres sociopédagogiques, sociopsychologiques qui entrent en jeu. Donc nous, nous estimons que la base de cette évaluation est ratée. Et ce n'est pas évident. Quand nous évaluons un enseignant, nous avons dit, c'est pour ne pas me répéter, pour que l'évaluation est déjà illégale telle qu'ils veulent la faire et que nous, nous estimons qu'on ne doit pas la faire aux enseignants seulement. On ne doit même pas la faire à qui que ce soit à plus forte raison aux enseignants. Et nous maintenons notre position qu'elle est illégale. À cette date, nous, le ministère ne nous a pas donné les déroulés méthodologiques de cette évaluation. À chaque fois, on change. Chaque fois, on change les cibles, chaque fois, on change les méthodes, chaque fois, on change les objectifs. C'est ce qui nous inquiète davantage. Eliassou Alousseni, votre structure ASOEPT euh, fait partie des facilitateurs dans le bras de fer qui oppose euh, le gouvernement au syndicat. Quelle appréciation faites-vous de cette question de l'évaluation des enseignants C'est vrai que ASOEPT euh, est facilitateur dans cette crise qui oppose les syndicats d'enseignants et les ministères en charge de l'éducation. Je pense que la question d'évaluation n'est pas en train de bloquer les négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Maintenant, ce qu'il faudrait rappeler, il faudrait regarder dans l'histoire. Après le forum de Dakar en 2000, vous savez, beaucoup des États africains se sont engagés pour une éducation de masse et non une éducation de qualité. Nous avons recruté des enseignants à tout bout de chemin. Nous avons construit des classes sans tenir compte de la carte scolaire. Et aujourd'hui, après l'évaluation des objectifs de l'EPT, nous sommes rendus compte qu'il n'y a eu qu'une éducation de masse sans qualité de nouvelles orientations ont été euh, dégagées à l'horizon 2030 à travers le cadre d'action euh, éducation 2030 qui est cette fois-ci axé sur la qualité. Or, déjà, il y a eu beaucoup de mal dans nos pays. Au Niger, le ministère des enseignements primaires a décidé d'aller vers une évaluation des enseignants, euh, plus précisément les enseignants contractuels qu'il a lui-même recrutés, souvent sans diplôme, sans formation, par-ci, par-là, euh, je vous donne un exemple. Euh, dans la ville de Niamey, il y a eu des années où on recrutait des enseignants sans formation, alors qu'à Niamey, il y avait des enseignants qui ont formé par l'école normale. Donc c'est pour vous dire que euh, le gouvernement étant responsable de cette situation, cherche à corriger le mal qu'il a créé lui-même. Les syndicats d'enseignants l'ont dit à, plusieurs fois qu'ils sont d'accord pour l'évaluation, mais comment faire cette évaluation. Je pense que lors d'une négociation, on a trouvé le principe de mettre un comité euh, qui va réfléchir sur comment nous devrons faire cette évaluation. Mais au niveau de la société civile active en éducation, nous, nous posons même la question de l'opportunité de cette évaluation. Il y a d'autres problèmes qui sont là, il y a des revendications des syndicats qui sont là. Nous, on pense qu'on doit d'abord essayer à stabiliser le système, ramener les enseignants à l'école, ramener les élèves à l'école, et ensuite, on va s'asseoir pour voir comment organiser cette évaluation. Cela suppose, est-ce que nous allons faire une évaluation où on va regrouper l'ensemble des enseignants euh, dans des salles, euh, faire des dictées ou des mathématiques qui, à mon avis, ne déterminent pas véritablement les capacités d'un enseignant à dispenser le cours. Je préfère une évaluation d'un enseignant en situation d'apprentissage. Moi, pour moi, c'est ça l'évaluation d'un enseignant. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire une dictée. Tu peux prendre beaucoup de cadres du ministère. Hein. tu organises une dictée, beaucoup vont avoir des, zéros. Tu prends beaucoup de, de fonctionnaires de l'État. Tu peux faire une dictée, beaucoup vont se retrouver avec une note minable. Ça ne détermine pas leur capacité, souvent, enseigner. Tu peux trouver un enseignant qui va avoir zéro en dictée, mais quand tu le trouves en situation d'enseignement, apprentissage, ce sera impeccable. Docteur Malam Garba du ministère de l'Enseignement primaire, certainement vous avez quelque chose à ajouter rapidement. Oui, rapidement, je vais soulever, il y a des démentis à apporter. Un, on n'a jamais, en ma connaissance, depuis qu'on a commencé, je sais au début, considérer la dictée comme étant un critère de compétence, un critère discriminatoire. Donc il ne faut pas dire ce qui n'a pas été dit. On a dit français et tout à l'heure j'ai dit français, ce qui a été fait, c'est quoi C'est un texte, c'est une expression écrite. Lorsque vous rédigez un texte, on peut voir vos performances, on peut voir toutes vos qualités. Elles vont être reflétées de façon intrinsèque. Comment vous organisez les textes quels sont les mots que vous choisissez Deuxième chose, l'évaluation à laquelle ils font allusion. Je suis d'accord avec eux. L'évaluation sur les statuts généraux de la France publique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et cette évaluation, c'est une évaluation sanction, justement, qui, quand il n'y a pas rendement suffisant, expose l'enseignement carrément à être peut-être mis hors système. Si les autorités ont dit qu'on ne pourrait pas garder un certain nombre d'enseignants, c'est possible tout ça. On n'a pas dit qu'on va les chasser. Il y a eu des reconversions, des propositions alternatives pour quelqu'un qui ne pourra pas enseigner en classe, il faudrait chercher d'autres issues, des alternatives sociales. Quoi que vous sachiez enseigner, si vous avez un zéro en français, on vous donne un zéro de mathématiques niveau C1, vous avez zéro, c'est là leur cas doit être analysé, peut-être avec vous. On peut ne pas les garder dans le système, mais on peut les amener ailleurs. Parce qu'on est soucieux aussi de devenir des gens. Quand vous touchez un enseignant, vous touchez une famille, vous touchez. Nous avons des parents enseignants. Nous sommes enseignants. Nous avons des amis enseignants. Nous ne tombons pas du ciel. Nous sommes tous sur la même planète, dans le même Nigeria. Nous sommes souciés de devenir de tout le monde. Et c'est pourquoi cette évaluation, elle doit être faite pour qu'on puisse détecter les points positifs, les points négatifs. C'est ce que nous avons l'habitude de faire en tant qu'enseignants. C'est-à-dire, c'est de faire une situation avant d'introduire, avant d'agir. La deuxième partie de ce forum nous amène à nous demander comment faire pour désamorcer le bras de fer entre syndicats et gouvernement. Avant de vous donner la parole, suivez d'abord le proviseur du lycée Korombe Mokhtar Mahamadou relativement au niveau d'exécution du programme scolaire. On l'écoute. Les terminales A, c'est là où ça ne va pas tellement en mathématiques. ils sont à peu près entre 60 et 75 Dans quelques matières littéraires, là vraiment la situation reste à, déplorer. Et par exemple, euh, en philosophie, certaines classes de terminales A n'ont pas atteint 50 et, aussi dans certaines classes de terminales D. Le nœud du problème, c'est surtout la grève des, enseignants. Alors justement, par rapport à cette grève et par rapport à ce que vous venez de nous dire, comment est-ce que vous avez fait pour arriver euh, à ce niveau-là C'est dit à la compréhension vraiment des enseignants. Ils ont estimé qu'ils sont en train d'enseigner certains leurs petits frères, d'autres euh, carrément leurs fils. Nonobstant le fait qu'à la grève, c'est quand même des citoyens et socialement, ils ont une certaine responsabilité vis-à-vis de ces enfants-là. Ça veut dire que pendant qu'il y avait des grèves, ces professeurs étaient en train de faire des cours de rattrapage certainement. Oui, j'ai salué leur sens de responsabilité et leur sens de sacrifice. Dans les classes des non examen, le pourcentage n'est pas aussi élevé. C'est-à-dire qu'ils ont consenti des sacrifices pour les classes d'examen. Ça veut dire que ces enfants, ces élèves iront avec des lacunes en classe supérieure L'enfant aujourd'hui, il fait 5-6 chapitres, il compose. Évidemment, il aura de fortes moyennes. Une fois en classe de terminale, ils vont se retrouver devant la réalité. La réalité est qu'en classe de terminale, les professeurs auxquels nous donnons ces classes de terminale là sont des anciens professeurs et ils sont compétents. Donc l'enfant qui n'a pas l'habitude de finir un programme se retrouve devant et un professeur qui va finir le programme à 100%, quitte à les faire venir samedi, dimanche et les jours fériés. Vous l'enfant n'étant pas habitué au rythme de travail, va se retrouver avec des difficultés. Les grèves ont des conséquences forcément euh, fâcheuses sur les résultats et sur le niveau aussi d'exécution du programme. Les grèves ont réellement euh, des conséquences dans les classes de première et seconde et même dans les classes de terminale. Parce que tantôt, je vous disais que les professeurs font des rattrapages. Ils font ces rattrapages-là dans des conditions vous voyez, mars-avril, il faut faire venir l'enfant à 14h et maintenant nous sommes dans le mois de carême. Et maintenant nous ici euh, au Corombe, notre chance est que il y a de cela deux mois, l'école normale supérieure nous a envoyé des stagiaires, hein, des stagiaires dans les matières scientifiques et aussi en histoire géo. Ce qui fait que pendant que les autres établissements sont en grève ici au Corombe, hein, les élèves continuent de suivre les cours de SVT, physique, chimie, histoire géo. Vous venez là d'écouter le professeur du lycée Korombe, Maktar Mahamadou, relativement au niveau d'exécution du programme scolaire. Euh, docteur Malam Garba. Je n'ai pas la maîtrise de la situation du secondaire parce que ça ne relève pas notre ministère, mais je vais souligner une chose. Parce que nous avons connu aussi les grèves, peut-être autant, sinon plus que le secondaire, et reconnaître que un jour de grève, c'est difficilement rattrapable. Parce que euh, même le retard, en tant qu'enseignant, nous le savons. Quand vous avez un retard, c'est déjà un retour en arrière. Parce que si vous avez la moitié de la classe qui est là, l'autre qui n'est pas là, vous êtes obligé de revenir remettre tout le monde à niveau. À plus raison quand il s'agit des grèves qui sont perlées. Je crois que là, eh, les niveaux ne sont pas les mêmes au niveau du primaire et secondaire, mais au niveau du primaire, la situation est variable. Cependant, comme il l'avait dit, même pour les primaires, il y a eu un renfort. Les élèves maîtres des écoles normales, nous les avons trouvés en classe pendant que les, enseignants titulaires des classes étaient en grève. Ça, on a fait un tour, nous l'avons aussi constaté. Mais toujours est-il qu'on n'a aucun intérêt, aucun intérêt à aller tout le temps en grève. Au vu de cette situation de blocage, de, de, des dont vous venez là de dire, quel avenir pour l'école publique nigérienne Non, je ne sais pas. De toute cette situation, il peut y avoir, à plusieurs hypothèses, il peut avoir un sursaut nous devons tous prendre conscience que ce que l'avenir du Niger, l'avenir d'un pays dépend de la qualité de son éducation. Et on n'a jamais vu de pays mal éduqué c'est ici à un niveau élevé de développement. Si vous faites la, la corrélation, vous verrez que les pays qui ont des difficultés, c'est les pays là où il y a plus de difficultés au niveau de l'éducation. Donc, c'est l'avenir du Niger qui est engagé. Nous devons tous, chacun, voir mettre un peu d'eau dans son lait ou dans sa boule pour que nous puissions chercher des terrains d'entente. L'évaluation, c'est un aspect, il y a d'autres aspects que je ne maîtrise pas. Il y a eu déjà des rencontres. Et je crois que le plus important, c'est de voir comment il faut maintenir. Parce que l'école, c'est le seul lieu où nous avons une égalité entre tous les acteurs. C'est accessible à tout le monde normalement. Et il faut qu'on ait une école de qualité, une école qui soit régulière aussi. Quels sont les efforts du gouvernement tendant à reprendre, à renouer l'angle avec euh, les structures syndicales Moi, je pas participer à toutes les négociations. Ils sont là, je les suis quand même. Et je sais qu'il y a eu des propositions. Euh, vous savez, aujourd'hui, la question a traitée au plus haut niveau. Avec, euh, sous la présence de son Excellence, le Premier ministre, il y a eu beaucoup de propositions et nous, avons, nous suivons de, de façon formelle et informelle les comptes rendus des différents participants. Et je crois que on peut toujours aller de l'avant. Et cette année, déjà, il y a eu le mal. Et il faut éviter que cela ne se répète. Parce qu'il y a des possibilités dans certains cas de faire des. Euh, disons, le mal ne peut pas être évalué de la même manière parce que quand on prend les primaires avec les sous-cycles, au sein d'un sous-cycle, euh, on peut admettre certaines choses. Alors, c'est ICP, CE1, CE2, CM, CM1. Mais quand c'est entre euh, le CP et le CE1 ou entre le CE2 et le CM1, il y, a des, problèmes qui peuvent se poser. Donc l'année peut être sauvée, docteur En réalité, oui. Actuellement, selon les données qui, en tout cas, qui sont moi à ma disposition, qui ce que je connais personnellement, je crois que on a des quotas dans beaucoup des, zones où l'année peut être sauvée et il y a eu des dispositions qui ont été prises, notamment une circulaire qui a été envoyée aux différents enseignants et aux différents chefs d'établissement pour qu'il y des cours de rattrapage que ce soit euh, pendant les cours et en dehors des cours, et un accent particulier c'est les acquisitions fondamentales. Parce que tout à l'heure, quand vous parlez d'évaluation, tout part, part de ces acquisitions fondamentales, lire, écrire et calculer. Si quelqu'un ne sait pas faire ça, comment il peut faire, autre chose ou apprendre Quand un enseignant du, du primaire ne peut pas lire, ou ne peut pas faire les simples calculs, comment il peut l'enseigner L'enseignant, c'est d'abord le savoir et le savoir enseigner. C'est deux choses différentes, mais c'est deux choses complémentaires, nécessairement complémentaires qu'il faut euh, garantir pour créer un bon enseignement. Docteur, on va revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Moukella Halidou, qui est le secrétaire général du Ben Sinaseb et également représentant de la synergie cause Niger-Sinaseb. Moukella Halidou, il y, a, eu plusieurs rounds de discussion entre les structures syndicales du secteur de l'éducation et le gouvernement. Peut-on encore parler de chacun de négociations <coughs> Merci. Euh, je pense que par rapport à ces négociations, il faut d'abord euh, euh, revenir sur les faits. Je voulais faire remarquer que au niveau de la synergie, au, niveau même des syndicats du secteur de l'éducation, nous n'avons pas de nouvelles revendications. La seule revendication qui tient aujourd'hui, c'est le respect des engagements auxquels le gouvernement avait souscrit le 13 décembre 2016. Voilà tout ce que nous sommes en train de demander, pas plus que ça. Donc je crois que euh, la question euh, euh, ou la réponse ne peut être trouvée que du côté de nos partenaires, du côté du gouvernement. Le gouvernement s'était engagé sur plusieurs points, notamment la question du recrutement, la question de cette même évaluation, plusieurs autres questions, parmi lesquelles le gouvernement s'était engagé à trouver des solutions avant le premier trimestre de cette année, c'est-à-dire avant le 31 mars. 2017. Mais très malheureusement, il se trouve que cela n'a pas été fait et c'est pour cela que le mouvement avait euh, euh, euh, repris, et de force d'ailleurs. Alors, selon vous, euh, est-ce que l'année scolaire euh, peut-elle être sauvée J'arrive. Par rapport à la question d'abord de l'échec des négociations, nous, on ne parle pas d'échec des négociations parce que pour nous, il ne s'agit pas de reprendre les négociations autour déjà des engagements qui ont été pris. Pour nous, c'est de créer les conditions du respect de ces engagements-là. Donc, je crois que la question ou même la solution de cette situation que vit aujourd'hui l'école publique nigérienne se trouve dans les mains du pouvoir, se trouve dans les mains du gouvernement qui a obligation de créer les conditions de ramener la stabilité dans, ce secteur-là. Maintenant, la question du sauvetage de l'année ne dépend pas de nous, ça dépend encore de nos partenaires. Lorsque tout à l'heure je, suis, euh, euh, je suivais le euh, Dr Malangarbe qui dit qu'il y a une note circulaire qui est sortie pour demander de faire des cours de rattrapage, voyez-vous cette contradiction Vous ne pouvez pas. Au moment où les enseignants étaient en mouvement, opérer des retenues pour les jours où ils n'ont pas travaillé, et vous continuez pour leur demander de rattraper les jours pour lesquels vous les avez coupés. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Et je pense que si on doit aujourd'hui intimer aux enseignants de faire des cours de rattrapage, ce n'est pas au ministère de le dire. C'est qu'il va falloir qu'effectivement, dans le cadre du dialogue, dans le cadre des discussions, que nous puissions poser cette question de comment sauver le système, comment sauver l'année 2016-2017. Mais quand nous disons tout à l'heure que au, fait, euh, euh, le gouvernement joue à un jeu euh, très dangereux. Alors, c'est que chaque jour que Dieu fait, il y a des nouvelles situations qui sont créées. Regardez, avant qu'on ne vienne à cette question d'évaluation, combien de soubresauts nous avons connus Le transfert des enseignants contractuels au niveau des mairies. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Les pécules qui n'ont pas été payées pendant les vacances passées. Donc, voyez-vous qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est un programme que le gouvernement s'est fixé de rentrer, n'est-ce pas, dans la gestion ou d'aller vers le, dégraissage. Tout à l'heure, Arzik l'a dit, du corps enseignant, mais particulièrement au niveau des contractuels. Donc pour nous, quelle qu'en soit la solution qui sera trouvée aujourd'hui par rapport à, déjà aux engagements du 13 décembre, on serait obligé par la suite de nous retrouver une fois de plus sur la table pour dire voilà, on a réglé les problèmes, on a honoré les engagements, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver l'école Il faut qu'on sauve cette école-là. Et il est aussi important qu'on reconnaisse que des fois, les informations que l'administration remonte au niveau du ministère euh, euh, sont falsifiées. Ce n'est pas la bonne information. Aujourd'hui, la plupart des directeurs d'école ou des chefs d'établissement vous donnent des informations pour faire croire que dans leur établissement, tout a marché. Tout simplement parce qu'ils ont l'obligation ou ils veulent pour, sauver, n'est-ce pas, leur poste. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Et je dis, l'erreur que nous sommes en train de commettre, lorsque déjà un enseignant titulaire d'une classe est là, vous prenez des élèves maîtres, des génies, pour les amener tenir des classes. Mais comment la progression sera faite comment alors, voyez-vous qu'aujourd'hui, la, une solution, la solution ce n'est pas ça. La solution, c'est quoi La solution, c'est que, qu'il le veuille ou pas, nous sommes obligés de nous asseoir sur la table et de discuter par rapport aux préoccupations de l'heure, aux préoccupations de l'école publique nigérienne. C'est-à-dire que ce n'est pas en, voulant chercher des solutions à gauche, à droite. L'école, là, c'est peut-être un secteur où peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. On ne fait pas du kamakami dedans. On est obligé de respecter l'école. On est obligé de euh, euh, reconnaître que l'école aussi a ses valeurs. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez un élève maître de l'école normale, on prend l'école normale de Niami, vous dites que déjà il y a un problème de niveau. Vous prenez l'élève qui n'a même pas fini sa formation, parce que l'autre est en grève, vous l'amenez dans sa classe. Il va faire quoi Dites-moi. Non, mais c'est ce que nous avons assisté à ça. Non, mais je vous en prie. Mais, mais vous dites, non, on n'a pas dit recruter. Non, bon, de là, je n'ai pas dit que vous les avez recrutés. non, mais vous les amenez, vous, ils sont déjà en classe. Vous les avez amenés dans les classes pour tenir les élèves. Ils étaient déjà ils sont, Non, ils sont dans les classes pour tenir les élèves pendant que les autres sont en, mouvement. Oh non, non, nous sommes sur le terrain. Il se, sur le fout, Voilà vous n'avez pas la parole. Est-ce que c'est la solution Je pense que la solution, ce n'est pas cela. le Ouadjika, le secrétaire général du SINEN et également coordinateur de la FISEN, euh, comment faire pour débloquer cette situation de blocage de l'école publique nigérienne ben, Rapidement. Je, crois que nous avons perdu des échéances qui sont celles du 31 Mars est euh, et irrécupérable. Personne ne peut voyager en retour dans le temps, même si les sciences fiction le font. Et je crois qu'il serait plus pratique d'envisager de nouvelles échéances. Et c'était l'objectif des séries de négociations qu'il y a eu. bon, c'est des négociations, même s'il faut négocier des échéances, c'est des négociations quand même. Ce n'était pas pour aller vers un nouvel accord ou un nouveau contenu d'accord, mais c'est un accord quand même sur de nouvelles échéances. On ne veut pas appeler ça accord, on ne veut pas appeler ça négociation, mais s'en sont quand même quelques-unes, autrement pris. Mais nous, pour nous, à la FISEN, nous estimons que le temps n'étant pas réversible, il faut qu'on soit pratique et réaliste pour dire qu'il faut projeter encore d'autres échéances. C'est pourquoi nous avons, c'est vrai, été un peu plus flexibles pour accepter un certain nombre de choses, ce qui fait que nous ne perdons pas encore espoir qu'on va être appelé. Mais le gouvernement a des pratiques, ça je, suis d'accord avec ça, franchement, a des pratiques qui sont très néfastes pour le dialogue social. Et c'est lui qui a mis en panne le partenariat, de manière qu'aujourd'hui, vouloir sauver l'année en demandant aux camarades de faire des rattrapages. Puisque quand, quand ils ne travaillent pas, vous coupez. Maintenant, vous voulez qu'ils travaillent à des heures où vous ne les payez pas. Il y a un problème. Donc nous estimons que ce n'est pas normal de le faire. la, correction que je voudrais apporter dans euh, le, petit quiproquo entre Munkel et docteur, c'est que le stagiaire ne doit pas être à l'école lorsque le, maître, le titulaire de la classe n'est pas là. Parce que c'est un stagiaire. Mais on leur dit de rester enseigné. C'est ça, en fait, le problème. C'est vrai, ils sont en stage. Mais lorsque l'école, la classe est fermée, elle, est, elle est sous la responsabilité du titulaire. Mais lorsque la classe est fermée, on dit aux stagiaires, viens tenir les élèves. Alors, alors que lui, il devrait faire pour que le, titulaire l'observe et le corrige. Mais on lui dit d'enseigner de manière pleine les enseignants. Non, il y a un problème. Les pratiques du gouvernement, il faut qu'il les arrête. Ce n'est pas de nature. Et il n'y a que dans le dialogue, puisqu'on n'a pas le temps. Il n'y a que dans le dialogue. Il n'y a que dans le dialogue qu'on peut sauver l'année, pas avec des circulaires ou des décisions à main levée, c'est évident. Et les statistiques sont fausses parce que apparemment, peut-être le docteur va confirmer ou infirmer. J'aurais compris lorsque certains, responsables d'établissement disent qu'ils sont à 75%. J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas qu'on a pris le petit taux du public, on a mis 50%, et le grand taux du public, naturellement, quand on met ensemble, on divise par deux. Il y a, il y sur, le, il y a sur au niveau, au niveau d'assaut EPT, Quelle solution préconisez-vous pour sauver ce qui reste à sauver Rapidement. Vous savez, euh, nous nous sommes mis euh, à rapprocher les, les syndicats d'enseignants et le gouvernement euh, il faut le dire, on a fait beaucoup de va-et-vient entre la primature et les, syndicats d'enseignants pour essayer de rapprocher les points de, vue. à un moment, on était sur le point d'avoir un accord sur les échéances. malheureusement, tout d'un coup, au cours des négociations, les choses ont basculé autrement. Nous les regrettons. Mais ce que nous nous disons au niveau de la société civile active en éducation, et il faudrait que le gouvernement, au même titre qu'il considère aujourd'hui la question sécuritaire comme une priorité nationale, qu'on puisse considérer l'éducation comme aussi une priorité nationale. Pourquoi je dis ça Parce que même les militaires qui vont sur le terrain, ils sont formés par des enseignants. Vous parlez aux Britanniques militaires, vous partez dans les camps euh, de formation, c'est des enseignants. C'est pour, dire que, c'est pour dire que nous devrons mettre l'éducation euh, euh, au, premier rang des préoccupations. du gouvernement. C'est là tout le problème. Parce que je, viens, nous, on a participé à, à tous ces blocages de négociations. Euh, c'est parce que on refuse de mettre les ressources nécessaires. Le blocage, c'est une question de ressources. C'est la question de recrutement des enseignants, c'est la question de mise en soins des enseignants euh, sur les échanges. C'est ce qui bloque actuellement euh, les discussions. Nous avons demandé à ce que le gouvernement fasse un, un peu plus et que les enseignants, les syndicats d'enseignants puissent aussi voir dans quelles conditions. À un moment, nous avons fait au niveau de ASSO une table ronde où nous avons amené les syndicats d'enseignants à faire une trêve. Ils l'ont fait. Et on a fait les démarches, mais malheureusement, nous sommes là, la situation est autre. Nous espérons que euh, cette année, on va, on va la valider, certes. Nous avons participé à la réunion de, s'il vous plaît, à la réunion de, de, la table de concertation du ministère des enseignements secondaires, où ils ont été clairs. Euh, quelle que soit la situation, ils vont euh, valider l'année. Rien ne sera euh, décalé. pour nous, aujourd'hui, au niveau de l'ASSO, ce n'est pas cette année. Ils vont l'évaluer. Nous, on est en train de regarder plus l'année prochaine. Docteur Malam Garba du ministère de l'enseignement primaire, euh, vous avez 30 secondes, 10 secondes, 10 secondes pour un peu. 10 secondes, c'est-à-dire que nos échanges, doivent, être constructifs. vous, vous, le savez tous, quand je prends l'ensemble des revendications, à l'exception de euh, l'évaluation, c'est des, revendications qui ont une incidence financière, quoi qu'il en soit. Et tous nous savons dans quelle situation difficile nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'en appelle à votre sens de nationalisme et d'engagement pour que nous puissions on peut différer l'application d'un certain nombre. On peut prendre des engagements. Oui, j'ai bien noté. Voilà, j'ai bien dit, vous l'avez fait et l'État aussi a fait un pas parce que l'État aussi a fait un pas, et on devrait aller toujours dans la même direction, un pas par là, un pas par-ci, pour que nous puissions évoluer. Quand les jours les jours seront meilleurs, les situations, la situation économique sera meilleure, peut-être on pourra faire plus que ça. Je sais que... Mokel vous avez 10 secondes. Non, 10 je vais aller très rapidement parce que pour moi, aujourd'hui, si on doit aller vers un sursaut patriotique, il faut que ça soit des deux côtés. On ne peut pas demander toujours le sacrifice du côté des enseignants, alors que quand vous prenez nos partenaires, ils n'ont jamais renoncé à leur avantage. Aujourd'hui, c'est quoi Quand vous prenez la question de la mise en sol ou de recrutement, des camarades qui ont été recrutés depuis 2012, qui n'ont pas encore leur matricule, qui n'ont pas leur salaire, on leur demande encore un autre sacrifice, alors que de l'autre côté, eux, ils n'ont jamais renoncé à leur avantage. Donc je crois que non, non, non, dans tous les cas, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler d'incidence financière. Je crois que quand même, si on doit se dire qu'aujourd'hui le Niger traverse une crise financière et, difficile, que ça se sente en tout cas de tous les côtés. Mais vous ne pouvez pas continuer à demander à l'enseignant. Rapidement, il suffit de 10, secondes, rapidement. C'est évident. Au fait, l'incidence financière dont on parle, est-ce que vous savez que si on mettait ces enseignants-là en sorte de. Parce que la caisse, c'est la même caisse de l'État, elle est la même c'est des caprices, de, les caprices des institutions financières qu'on est en train de suivre. Parce que chaque contractuel qui touche, il y en a d'ailleurs qui, si on les met en solde, vont perdre en termes de, de masse de salaire. Ce qui veut dire que l'incidence financière est, négligeable et elle est supportable. Seulement, nous sommes inféodés et puis bon, on, va en souffrir. <laughs> Nous sommes au terme de ce forum d'étudiants Kalangou. Nous étions avec euh, docteur Dr Malam Garba, représentant le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Nous étions également avec Moukela Halidou, secrétaire général du SINASEB, représentant la synergie et Nous étions aussi avec euh, Issoufou Artika, secrétaire général du PEN et représentant et euh, coordonnateur aussi de la FISEN, Et Iliassou Alousseini, représentant les associations de la société civile active pour une éducation pour tous, ASSO EPT. Merci à vous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec une autre euh, thématique. Merci et au revoir.